forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Fête du 1er mai 2019, défis et perspectives dans le monde du travail. À l'instar des travailleurs du monde entier, ceux du Niger célébreront également ce mercredi 1er mai le 133e anniversaire des événements de Chicago, décrété dès lors fête internationale de travail. La fête du 1er mai est une occasion pour les différentes corporations syndicales de revendiquer des meilleures conditions de vie et de travail pour leurs militants. C'est également une occasion pour les structures syndicales de jeter un regard rétrospectif sur les événements sociaux, politiques et économiques de l'année écoulée. La douzaine de centrales syndicales qui compte le pays va se retrouver dans l'après-midi au ministère de tutelle pour la cérémonie traditionnelle de remise du cahier de doléances des travailleurs. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre les défis dans le monde du travail dans un pays pauvre comme le Niger, les difficultés et les avancées enregistrées dans le domaine. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir en ligne Zaman Allah Mahaman, secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN et membre de l'intersyndicale des travailleurs du Niger qui regroupe cette centrale syndicale. Zaman Allah Mahaman, bonsoir. Bonjour et Abdou Souley, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, membre de la convergence des travailleurs du Niger, CTN, qui regroupe six centrales syndicales. Abdou Souley, euh, bonsoir. Bonsoir. Au micro, Mokhtar Hamadou. Avant d'aborder cette thématique, nous allons d'abord écouter le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Mohamed Ben Omar, sur la situation de l'emploi au Niger. L'État fait ce qu'il peut. Le principal pourvoyeur d'emploi, c'est la fonction publique. Mais le secteur privé est en croissance et c'est le deuxième moteur de la, création d'emplois, c'est le secteur privé. Et là, on sent que de plus en plus, l'entrepreneuriat des jeunes est en route. Beaucoup d'emplois sont créés et cette création d'emplois reflète la vivacité et le dynamisme de l'économie. L'économie ambiante aujourd'hui est telle qu'on sent qu'il y a la création de richesses. Et c'est pourquoi l'objectif était de 50 000 emplois par an, ne l'oublions pas. Or, nous sommes à plus d'un million d'emplois. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sent que la croissance économique est réelle et les statistiques l'ont prouvé. Et ça va de pair. Mais mieux, au-delà de ce que fait l'État, le gouvernement, les ONG, créent énormément d'emplois et qui sont pris en compte également. Il y a les partenaires, il y a également le, projet, à l'instar des autres pays de l'UMOA. Par exemple, pour DIFA, le, gouvernement a adopté ce qu'on appelle le programme national d'emploi en matière de santé et de croissance économique. Et là, l'objectif, c'est d'aller vers une création d'emplois, environ 10 000 emplois dans le domaine de la santé. Parce que les statistiques m'ont prouvé que plus vous avez un personnel dynamique dans le domaine de la santé, cela a un impact certain sur la croissance économique. Nous faisons ce que nous pouvons. Le secteur privé fait également beaucoup de choses, mais il y a un handicap une tendance lourde qui nous tourne vers le bas, c'est que les Nigériens, bon, euh, ils refusent d'aller vers un certain nombre de profils beaucoup plus pointus, spécialisés. Or, la croissance, l'avenir, c'est le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, nous voulons que cet envol soit pris et que de plus en plus notre économie se modernise et nous quittions le secteur primaire pour tendre vers les deux autres secteurs, c'est-à-dire le secondaire et le tertiaire. Veuillez d'abord présenter vos structures respectives. Zaman Allah Mohamed, allez-y. Le CN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, comme vous le savez, est la première centrale syndicale au Niger. Elle est créée le 25 septembre 1960. Et donc, euh, elle a été l'une des pionnières des organisations à euh, lutter pour l'accès à la démocratisation du pays, comme vous le savez. Alors, cette démocratisation est dans. elle a aussi donné un coup à la centrale, qui s'est vue mettre d'autres centrales à son sein et nous sommes ainsi devenus sur l'échiquier syndical euh, national 13 central syndicales Abdou allez-y. Merci. Euh, c'est Abdou secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger. Contrairement à Zaman Allah, notre centrale syndicale est la dernière née des centrales syndicales. Merci que vous avez pris la première née et la dernière née des centrales syndicales pour qu'on puisse dire ce qu'on a fait pour les travailleurs du Niger. La naissance de l'Union démocratique des travailleurs du Niger remonte des années 2013 et cette naissance a donné de tonus à l'ensemble des centrales syndicales pour qu'elles puissent accélérer le processus à l'organisation des élections professionnelles. Et aujourd'hui, l'Union démocratique des travailleurs du Niger en tant que dernière née et la première qui revendique à ce que les élections professionnelles soient organisées le plus rapidement possible afin que chaque centrale connaisse son poids sur l'échiquier syndical national. Zaman Allah Mahaman, quelle est la situation actuelle des travailleurs nigériens, leurs préoccupations Moi, je dirais que l'ensemble, les travailleurs euh, vraiment sont de désarroi puisque la plupart des accords que nous signons avec le gouvernement, les protocoles d'accord ne sont pas respectés. Et donc là, on n'a pas un partenariat sincère qui nous permet d'envisager un partenariat digne de ce Allah quels sont les défis du Niger en matière de la promotion de l'emploi Oui, les défis ne manquent pas puisque il faut le reconnaître que nous avons un pays à très fort taux de croissance démographique. Et cette euh, croissance démographique, euh, comme le diraient certains, sont, en fait, euh, peut être un frein à la promotion de l'emploi puisque la création d'emplois ne va pas avec ce taux Et ça ne va pas aussi avec euh, nos ressources. Donc vraiment, je pense qu'il y a quand même de l'espoir, vu les perspectives du pays, si ce n'est pas le problème d'insécurité qui nous mine. je pense que les choses allaient de meilleure en meilleur, mais malheureusement, de le euh, la promotion au Niger. Zaman Allah depuis 2012, le gouvernement nigérien a mis en place un comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui a été fait par ce comité et qu'est-ce qui reste à faire Oui, il est évident que le comité a été mis en place, mais comme je le disais tantôt, le partenariat n'est pas sincère, n'est pas aussi sincère que soi. Imaginez-vous que en 2012, on avait signé un protocole d'accord avec ce comité interministériel. Euh, le protocole d'accord devait être mis en œuvre, mais il ne l'a pas été. Nous avons négocié pendant six ans, ou bien pendant sept ans, pour aboutir à un protocole d'accord. D'abord en 2015, puis en 2016, un protocole d'accord additionnel et en octobre, le 20 octobre, plus précisément le 20 octobre 2018, nous avons signé un dernier protocole d'accord. Et dans tous ces protocoles d'accord, la mise en œuvre devient un problème. Et il n'y a que quelques dispositions qui ont été satisfaites. Et ça ne dépasse pas trois à quatre points qui sont vraiment pour nous insignifiants. Et du fait que le gouvernement n'a pas pris avec sérieux les euh, revendications, il n'a pas daigné évaluer ce que ça peut lui coûter ces revendications ou du moins ce protocole d'accord. Et c'est en 2018, en fait en 2019, qu'on nous appelle pour nous dire que ah, se rend compte qu'on ne peut pas mettre en œuvre toutes les mesures pour lesquelles nous avons signé un protocole d'accord avec nous. Et je pense que ce n'est pas digne euh, d'un responsable du gouvernemental. Pendant un certain nombre d'années, vous avez un dossier déposé sur votre table, vous avez élaboré les budgets pendant plusieurs années, et vous ne prenez pas en compte ces revendications, vous venez encore négocier un protocole d'accord avec nous et vous vous dites que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette protocole-là. Donc je pense que ce n'est pas responsable et ce n'est pas digne d'un partenariat sincère. Al Allah Mahamana, euh, votre centrale syndicale, l'Union des travailleurs euh, nigériens, vit avec d'autres centrales euh, syndicales dans l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Comment s'est fait la collaboration avec ces centrales-là Bon, vous savez, à l'ITN, nous, nous sommes dans un regroupement et nous travaillons ensemble depuis un certain nombre d'années. Et vraiment, nous tenons à mettre en commun nos préoccupations et nous mettons de côté le minimum euh, de notre divergence. Mais chaque centrale est euh, quand même indépendante et souveraine de ses activités et de ses actions. Alors, euh, nous travaillons en tout cas pour le moment main dans la main et nous continuons en tout cas à œuvrer ainsi tout en améliorant nos relations et en essayant de respecter un peu la souveraineté des uns et des autres. Abdoulaye, quelles sont les difficultés auxquelles vos militants sont confrontés dans le cadre du travail Merci de nous avoir euh, posé cette question. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, fidèle à ses habitudes et à ses engagements, a de tout temps soumis ses préoccupations au gouvernement de la 7 République, dont, entre autres, nous avons une spécificité de remonter au niveau universitaire, au niveau de la formation professionnelle et technique, où vous, avez, vous allez constater, depuis un certain temps, nous avions demandé à ce que l'État du Niger puisse créer un centre national de didactique et de pédagogie universitaire. Ceci étant une réalité. Ça, ça veut dire quoi tout cela Oui, quand un enseignant doit commencer à enseigner, il faudrait à l'image de ce qui se fait à l'enseignement primaire et au niveau de l'enseignement secondaire, il faudrait qu'ils puisse avoir une pédagogie minimum pour entrer en salle au niveau de l'enseignement supérieur. Et au-delà des centres nationaux de, de, didactique et de pédagogie universitaire, nous avions demandé à ce qu'il y ait une agence nationale d'assurance qualité qui va veiller à la qualité de l'enseignement au niveau de l'ensemble des dispositifs de l'enseignement supérieur, tant au niveau des grandes écoles qu'au niveau de l'ensemble des universités publiques. Quand vous prenez au niveau de la formation professionnelle et technique, les défis sont énormes. Vous prenez par exemple un centre, les centres de perfectionnement, de formation et de perfectionnement CFPP, qui depuis de longues dates, depuis 1958, il y a des engins qui n'ont pas été renouvelés et c'est pourquoi nous avions toujours demandé à l'État de renouveler l'ensemble des équipements didactiques et des infrastructures afin que le Niger puisse suivre l'évolution du monde. Et vous allez constater avec la création des collèges d'enseignement technique où à partir de du CFEPD, vous avez la possibilité d'aller à la formation professionnelle. Vous avez les centres de formation au métier. Vous avez les lycées technologiques. Vous avez les lycées agricoles. Vous avez le seul lycée d'excellence que nous avions connu, c'est le lycée technique d'Anksawa qui avait formé tant de cadres d'excellence pour le Niger. Nous avions demandé à ce que l'ensemble de ces centres puissent bénéficier d'un renforcement en didactique et en matériel pédagogique de pointe pour que le Niger puisse suivre l'évolution du moment parce qu'aucun pays ne peut se développer sans la formation professionnelle. Et c'est pour cette raison, nous avions demandé à ce que la formation professionnelle puisse retrouver ses lettres de noblesse. Et vous avez constaté que le président de la République, suite à sa participation au forum qui s'est tenu au Burkina, il s'est engagé à faire en sorte que l'enseignement professionnel puisse avoir 40% des effectifs de l'enseignement général et l'enseignement général 60%. Et c'est ce qui fera que le pays va se développer parce qu'aucun développement n'est possible si l'enseignement professionnel est mis de côté, si l'enseignement professionnel est ignoré. Ce qui fait que le Japon aujourd'hui, si le Japon est arrivé là où ils sont, c'est parce que les 80% des effectifs et le produit de la formation professionnelle et les 20% de l'enseignement général. Or, toute formation professionnelle qui est développée les pays allaient se développer rapidement. Au-delà des enseignements classiques, vous allez constater, nous portons une attention particulière au recrutement de tous les enseignants contractuels afin de mettre fin à la contractualisation. À un certain moment, il y a des enseignants contractuels et des titulaires qui sont partis faire le spécial A et B et qui ont été résiliés, dont nous avions demandé au président de la République une grâce présidentielle. Vous allez constater un certain nombre de points, tels que le prix d'hydrocarbures à la pompe. Nous avions demandé depuis 2015, l'État du Niger est devenu un pays producteur du pétrole et nous avions demandé à ce que le prix d'hydrocarbures à la pompe soit réduit pour que les Nigériens moyens puissent accéder à ces à, l'hydrocarbure à moindre frais. Au-delà de ces hydrocarbures, nous avions demandé à ce que le programme d'enseignement soit puisse suivre une refonte totale, tout en tenant compte de notre culture, tout en tenant compte des actualités du moment que nous sommes en train de vivre, etc., etc. Ce qui fait que les préoccupations des travailleurs sont le paiement à terme échu des salaires et des pécules, au-delà de ces paiements à terme échus, des salaires et des pécules, nous avions demandé à l'ensemble des travailleurs d'être prêts à tout moment quand le gouvernement n'arrive pas à répondre à un certain nombre de ses devoirs. En ce moment précis, nous allons nous reverser dans la rue, nous allons adopter des stratégies nous permettant de défendre nos intérêts matériels et moraux. Et c'est sur ce. Est-ce est -ce que c'est ce qui explique votre engagement aux côtés euh, de la société civile dans le cadre de la lutte contre certaines dispositions de la loi de finances 2018 Oui, vous savez, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, comme je l'ai dit, nous sommes engagés du côté de la population et nous allons combattre farouchement tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt général et nous demandons à l'ensemble de la population. Ce qui a fait qu'au moment où on faisait la lutte de la loi de finances 2018, l'Union démocratique des travailleurs du Niger s'est engagée du côté de la société civile et nous avions dit non à, la loi de finances 2018 et nous avions demandé la réduction du train de vie de l'État. Une fois que le train de vie de l'État est réduit, vous allez constater qu'on ne peut pas, dans un pays le plus pauvre du monde, avoir 45 ministres 45 ministres plus 25 ministres conseiller au niveau de, la présidence de la République et un certain nombre de chargés de mission. C'est pour cette raison que nous avions dit non. Si on veut avoir un bénéfice, on peut diminuer le nombre de portefeuilles ministériels à 23 et c'est ce qui a fait que nous avions dit, les premières dames n'ont pas été élues présidentes de la République. Par conséquent, leurs préoccupations, leurs activités ne devraient pas être prises en charge dans le budget de l'État. Comme ça s'est fait en France, vous vous, vous, vous, retenez, vous, vous souvenez, à un certain moment, quand un premier ministre a voyagé dans un avion avec ses deux enfants, il a fallu qu'il paye les frais des transports de ces deux enfants à l'État français. Or, ce qui fait qu'au Niger, vous allez vous rendre compte qu'une première dame a un cabinet, les deux premières dames ont un cabinet, or ce qui n'est pas du tout normal. C'est paradoxal et c'est pour cette raison que l'Union démocratique des travailleurs du Niger se bat du côté du peuple pour que la souveraineté du peuple appartient au peuple, pour que le peuple puisse décider par rapport à son sort. Abdoulaye, dans quelles conditions l'Union démocratique des travailleurs nigériens et la convergence des travailleurs nigériens en général préparent l'édition 2019 de la fête du travail Au niveau de la convergence des travailleurs du Niger, nous nous retrouvons à un certain moment pour dire il faudrait qu'on définisse une plateforme minimale. Et à ce niveau, on met en commun nos énergies, on met en commun de côté toutes nos divergences et nous nous entendons par rapport à une plateforme minimale que nous soumettrons chaque année au gouvernement de la Septième République. Et c'est ce qui fait que cette année, nous nous sommes dit il faudrait demander l'application stricte des protocoles d'accord signés avec le gouvernement de la Septième République le 22 janvier 2016 et le 28 avril 2018. Ensuite, il faudrait faire en sorte que l'ensemble de nos pères, l'ensemble de nos parents, l'ensemble de nos mères qui ont travaillé pour ce pays et qui partent à la retraite, qu'ils puissent bénéficier d'une indemnité spéciale du départ à la retraite. Et cette indemnité ne peut être que de six mois. Les six mois permettront aux futurs retraités de s'asseoir et de se préparer avant qu'ils ne commencent véritablement à suivre les conséquences de la retraite. Ensuite, nous nous sommes dit, il faudrait demander le recrutement de tous les contractuels à la fonction publique afin de mettre fin à la contractualisation. Est-ce que le gouvernement a les moyens aujourd'hui de recruter tous les contractuels euh, de l'éducation Le gouvernement a les moyens à partir du moment où il se donne le luxe de faire 45 ministres. Quand vous faites 45 minutes, cela veut dire qu'il existe des moyens le Niger est, un, est devenu un pays exportateur du pétrole. Le Niger regorge de ressources minières importantes dont il faudrait gérer bien. Le Niger était un pays producteur de l'uranium. Quand vous partez aujourd'hui dans une brousse de la France, vous allez vous rendre compte qu'elle est mieux équipée en électricité que Niamey, alors que l'uranium quitte Niamey pour aller ravitailler la France. Donc nous nous sommes dit, les Niger disposent des moyens, c'est pourquoi le Niger doit recruter l'ensemble des enseignantes contractuelles afin de mettre fin à la contractualisation. Ensuite, au-delà de ça, nous nous sommes dit il faudrait aller vers l'exigence de l'augmentation des salaires tenant compte du coût de la vie, parce que la vie coûte excessivement cher. À partir du moment où les tenants du pouvoir vivent le même train de vie que nous, à partir du moment où il existe une richesse énorme, nous disons il faudrait aller vers la demande de l'augmentation conséquente des salaires tenant compte du coût de la vie. quelles sont euh, les ambitions de l'UDTN, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, euh, pour euh, les travailleurs nigériens au niveau de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, nous avions commencé un travail. Et ce travail, c'est de faire en sorte que les incidences financières liées aux avancements et reclassements puissent être payées intégralement. D'ores déjà, nous nous sommes rendus au niveau du ministère des Finances. Nous avions rencontré le président du comité. et nous a fait le point de la situation d'un montant total de 1,5 milliard millions et ils ont pris le ferme engagement que chaque mois, deux engagements seront faits jusqu'à l'épuisement total de ces incidences financières liées aux avancements et reclassements. Ensuite, la réduction du prix des litres d'essence à la pompe. Nous allons veiller, nous allons mettre toute notre énergie et nous nous sommes euh, déplacés pour aller rencontrer le comité chargé de la structuration des prix, après avoir rencontré le Premier ministre chef du gouvernement, et nous nous sommes dit, ce comité, il faudrait qu'ils nous dise techniquement qu'est-ce qu'il est en train de faire par rapport à la réduction du prix des litres d'essence à la pompe. Et ce comité nous a fait savoir que trois propositions ont été faites et ces trois propositions ont été déjà remises au ministre des Finances, au ministre du Pétrole et au ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. Dans les tout prochains jours, ces trois ministres, chacun en ce qui le concerne, va donner son avis et le comité sera convoqué pour adopter et valider ces propositions qui seront transmises au gouvernement pour adoption. Et en ce moment précis, nous dirons ouf les prix des litres d'essence, le prix d'hydrocarbures à la pompe verra une réduction substantielle. Pour le moment, on ne sait pas de combien ça sera réduit, mais nous avons foi et nous croyons fermement qu'il y aura une réduction du prix des litres d'essence à la pompe. Au-delà de cette préoccupation, nous comptons à ce qu'il y ait la réforme du tribunal du travail. Le tribunal du travail, c'est une instance lorsque le studio Kalangou n'aimait pas les travailleurs dans des conditions morales et psychologiques de travail. Les travailleurs qui partent à l'inspection du travail portaient plainte pour préjudice que Studio Kalangou lui a porté en ce moment précis. Le dossier cheminera au niveau du tribunal du travail. Or, c'est le fonctionnement même du tribunal du travail. Nous voudrons à ce que ça soit revu et nous allons, nous veillerons. C'est pourquoi lors de notre dernière rencontre avec le président du comité, le secrétaire général premier adjoint du ministère de la Justice, ce dernier a pris le ferme engagement de faire une proposition de loi portant organisation, création et fonctionnement de ces comités du tribunal du travail. Et à l'avenir, nous pensons que l'ensemble des assesseurs feront valablement le travail qui leur sera demandé et le juge qui seront nommés pour être travaillé au niveau du tribunal du travail feront convenablement le travail qu'il faut. Ils le font déjà, mais nous pensons qu'il faudrait faire une refonte totale du tribunal du travail pour que ça puisse être à la mode, pour que ça puisse répondre aux préoccupations des travailleurs. Au-delà de ça, nous nous sommes dit, il y a beaucoup de préoccupations qu'il faudrait prendre pour les travailleurs, mais on ne peut pas le faire tout de suite et maintenant. Il faudrait qu'il y ait du temps. Et c'est pourquoi nous demandons l'engagement de l'ensemble du travailleur au côté de l'UDTN. Et en ce moment, nous allons vaincre le gouvernement par rapport à ses préoccupations et nous aurons satisfaction par rapport à un certain nombre de préoccupations que nous allons soumettre au gouvernement. Monsieur le SG Abdou au-delà de l'UDTN, l'ensemble euh, des corporations syndicales comptent euh, commémorer euh, demain, mercredi, les événements de Chicago, la fête du travail. Quelle est la particularité de l'édition 2019 Merci que vous nous avez demandé de vous dire quelles sont les particularités de l'organisation de la fête du 1er mai 2018. 2019. 2019. D'entrée de jeu, lorsque vous regardez Niamey, vous allez vous rendre compte que Niamey est un chantier. D'entrée de jeu, lorsque vous regardez les climats, vous allez vous rendre compte qu'il fait excessivement chaud. Et la plupart des travailleurs, à Titre illustratif, j'étais au niveau du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, où les travailleurs, les femmes des travailleurs qui sont au niveau de ces ministères, ont porté plainte contre les gestionnaires de ces départements ministériels parce que ils n'ont pas de genoux déjà. Et les femmes se plaignent de cet état de fait parce qu'en remontant chaque matin pendant plus de heures, trois ans, du premier étage au rez-de-chaussée jusqu'au treizième étage à pied sur les escaliers. Nous pensons que l'État doit mettre fin à cela pour sauver ces femmes, pour qu'elles puissent avoir des enfants, pour sauver ces femmes, pour qu'elles puissent avoir leur mari, et pour sauver les maris, pour qu'ils puissent avoir leur femme, parce qu'il y a déjà il des femmes qui ne peuvent plus monter au treizième étage et descendre chaque soirée et à tout moment. Donc, c'est pour cette raison la spécificité de la fête du 1er mai de cette année, nous allons prendre cette préoccupation en charge pour demander au gouvernement de renouveler l'ensemble des ascenseurs qui sont en panne afin d'éviter à ce que les gens puissent continuer à vivre cet état de fait. Et c'est pourquoi nous allons dire, en tenant compte de la ville qui est en chantier, en tenant compte de la chaleur, nous allons supprimer le meeting et nous le défiler les pour nous retrouver juste pour faire le meeting et libérer les travailleurs et ceci va permettre à ceux qui ont l'asthme, ceux qui ont la tension, qu'ils puissent être sauvés. Sinon, vous allez vous rendre compte que beaucoup vont tomber en cours de route. Monsieur le SG, euh, changeons de registre pour parler des élections professionnelles. Monsieur le SG, où en sommes-nous dans le processus de l'organisation de ces élections professionnelles Et eh, Merci de nous avoir parlé de cette question des élections professionnelles dont nous avions constaté lors d'un débat que nous avions euh, animé ici au niveau des studios Kalangou un certain nombre d'éléments que nous allons vous rappeler. Des lignes vides que nous avions demandé à ce que ça soit supprimé sur le fichier, ces lignes vides ont été supprimées. Des travailleurs décédés qui sont encore dans le fichier aujourd'hui et demain, dans le fichier qui a été soumis à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Des travailleurs qui sont partis à la retraite, qui n'ont pas été encore endigués et arrayés de la liste. Donc nous pensons que ces travailleurs sont toujours sur la liste certains travailleurs qui sont partis à la retraite n'ont pas été supprimés et élagués de la liste. Des travailleurs nés en 2015 et qui, pendant un an, et parce qu'en 2016, si les élections ont été effectuées, nous sommes en 2019, cela veut dire que ces travailleurs ont 4 ans de naissance et ils vont se retrouver le jour du, vote pour voter, ce qui a fait que ces errements de date existent toujours. Il y a des travailleurs qui n'ont pas de date et lieu de naissance et nous pensons que c'est souvent source de fraude. Et c'est à ce titre que nous avions tiré la sonnette d'alarme pour dire ces genres de travailleurs doivent être élagués. Ensuite, vous allez vous rendre compte que une vendeuse de Piawata a été identifiée à la commune M1 et nous pensons que s'il faudrait laisser une vendeuse de Piawata voter alors... Est-ce que vous avez les preuves de ces allégations Oui, c'est parce que l'Union démocratique des travailleurs du Niger fait un travail sérieux. Elle met en place des commissions et ces commissions font le travail. À la suite de ces travaux, on écrit à la Commission nationale des élections professionnelles pour dire telle préoccupation à tel numéro a été trouvée. Quand ils regardent leurs archives, ils vont trouver l'ensemble de ces préoccupations qui ont été relevées par le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger. Ensuite, quand les élections professionnelles ont été convoquées, il a fallu une semaine après la convocation du collège électoral, à la veille de l'ouverture des campagnes, pour que le secrétaire généraux des centrales syndicales, qu'on puisse découvrir, découvrir, j'ai dit sur le WhatsApp, l'arrêté portant convocation du collège électoral. Ça n'a pas été officiel. Ça n'a pas été officiel et je pense que le gouvernement doit respecter les centrales syndicales en tant que partenaires que nous sommes. Et c'est en ces temps-là que l'intersyndicale des travailleurs était parti rencontrer le chef du gouvernement pour dire ils ne sont pas d'accord avec cette convocation du fichier électoral, cette convocation de, de, l'ouverture des campagnes électorales, et c'est pourquoi l'organisation des élections professionnelles a été reportée à une date sinédite. Pire, quand la convocation du collège électoral a été faite, ils avaient oublié qu'ils n'ont pas fait respecter la procédure de passation de marché. Parce que quand un marché atteint un certain seuil, selon le procédure de l'ARMTP, mhm. il faudrait faire la procédure de passation du marché. Cela n'a pas été fait et c'est après que la procédure de passation du marché pour l'impression des cartes électorales a été faite. Et le mardi passé, normalement, le comité chargé de faire le dépouillement a fait le dépouillement et il doit sélectionner celui à qui on devrait attribuer le marché. Et si ce n'était pas le premier, cela veut dire qu'il faut reprendre le processus faire les spécimens, renvoyer les spécimens à la Commission nationale des élections professionnelles. La Commission la, Commission nationale des élections professionnelles va valider les spécimens en ces temps là il aura le quitus pour aller imprimer. Sans tenir compte que les listening, là, comme il y avait eu entente directe de marché, là, les listening a été tiré, ils ont fait le colisage. L'ensemble des matériels électroniques et, devrait être acheminé à l'intérieur du pays pour que chaque région puisse avoir ses matériels et les régions vont acheminer dans les départements, les départements vont acheminer dans les communes. Voilà là où on en est, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, personne ne peut vous dire voilà la date de la tenue de l'organisation des élections professionnelles. Alors, euh, monsieur le SG Abdou comment solutionner ces difficultés Comment réussir ces élections Et Comment solutionner ces difficultés Nous pensons que, d'abord, le gouvernement doit respecter les partenaires que nous sommes. Lorsque nous sommes ampliateurs, quand on convoque les collèges électoraux, alors le même jour, on doit nous envoyer des copies. Deuxième chose, l'immixion au plus haut sommet de l'État dans la compétition syndicale. Nous pensons que pour déterminer les centrales les plus représentatives, le gouvernement n'a qu'à se mettre de côté sur le terrain syndical il n'a pas à s'impliquer par une telle centrale ou une telle centrale, c'est Il y, a, des prémices déjà Il y en a des prémices aujourd'hui, il y en a des prémices demain. On vous a toujours dit qu'il y a des centrales syndicales qui mangent dans le même assiette que le gouvernement. Or, l'UDTN ne le fera jamais. Donc, ce qui fait que nous nous sommes dit, nous faisons une exigence de l'immixion d'observer la stricte neutralité. On demande à l'État d'observer la stricte neutralité par rapport à la compétition syndicale. Et au-delà de la neutralité, l'État n'a qu'à sécuriser en mettant les moyens nécessaires à la disposition de la CONEP pour qu'elle puisse avoir le moyen de sa politique. Et enfin, de sécuriser. Nous sommes en un moment où nous sommes en insécurité, l'État n'a qu'à sécuriser l'ensemble des dispositifs d'organisation des élections professionnelles, c'est-à-dire la, CONEP, le COREP, le CODEP, pour qu'enfin nous puissions tout la CONEP, c'est la Commission nationale des élections professionnelles. La COREP, c'est la Commission régionale des élections professionnelles. Et la CODEP, c'est la Commission départementale des élections professionnelles. C'est des démembrements de la CONEP, euh, euh, de la structure nationale aux structures déconcentrées. Ah. Abdou le Niger compte une douzaine de centrales syndicales. C'est pas trop pour le Niger Et le Gabon en a 17. Depuis 2015, euh, le Niger vaut combien de fois le Gabon Regarde la carte, je ne suis pas géographe, je n'avais pas la superficie en tête, mais je sais que le Niger est plus de trois fois le Gabon. Et ensuite, vous avez le Sénégal. Le Sénégal en a 12 depuis 2017. Et le Sénégal n'est pas encore beaucoup plus grand que notre. Quand vous regardez la superficie du Niger, vous allez vous rendre compte que le Niger vaut combien de fois le Sénégal. Ce qui fait que, moi je pense, avoir 12 centrales syndicales, ce n'est pas trop. Mais c'est de voir, est-ce que les centrales remplissent convenablement leur rôle Est-ce qu'ils prennent en compte les préoccupations des travailleurs. Toute centrale qui ne prend pas en charge les préoccupations des travailleurs, je, je pense que cette centrale peut être dissoute, cette centrale peut être interpellée, cette centrale peut être... Ex le gouvernement peut trouver les moyens, mais nous pensons qu'avec euh, l'organisation des élections professionnelles, qu'elles soient 13, qu'elles soient 14, qu'elles soient 20 centrales syndicales, le gouvernement a trouvé les moyens de solutionner les, problèmes parce que toute cette panoplie des centrales syndicales ne vise que des questions de représentation lorsque vous prenez au niveau du CESOC. Les travailleurs ont cinq représentants et on prend toujours de la première à la cinquième. À la Carénie, les travailleurs ont quatre représentants, on prend de la première à la quatrième. Les, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, le conseil d'administration, les travailleurs ont quatre représentants, on prend de la première à la quatrième. Au niveau du Conseil national, de la Commission nationale des droits humains, les travailleurs ont un représentant, on prend ainsi de suite. C'est que il faudrait qu'on sache quelle est la centrale la plus représentative qui aura le plus grand nombre de voix en cas de représentation, si c'est une seule place, c'est cette centrale qui va partir. Si c'est deux, on prend le deux premières. Si c'est trois, on prend les trois, quatre. On ne peut pas excéder cinq centrales syndicales. Les restes des centrales syndicales vont se battre pour que quatre ans plus tard, qu'elles puissent figurer parmi les centrales les plus représentatives. Nous pensons que avoir centrales syndicales, ce n'est pas trop, mais au Niger, comme on l'a dit, c'est comme euh, les partis politiques, on avait commencé au départ. C'est les textes. Il n'y avait pas de textes législatifs qui ont été préparés pour régir les syndicats, pour régir les associations. Il faudrait qu'à l'avenir, qu'on puisse faire une refonte totale de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires afin d'y remédier pour créer une centrale, il faudrait avoir tant de représentations au niveau des régions, tant de représentations, tant de syndicats, etc., etc. Et qu'on définisse les critères en ce moment précis. Vous allez vous rendre compte que la chose va se régler elle-même. Monsieur le sujet, dernière question. Quels sont vos conseils ou recommandations pour la promotion d'un emploi décent et d'une meilleure protection sociale au Niger Par rapport à la protection de l'emploi, vous savez, nous avions demandé de tout temps qu'il y ait une défiscalisation pour accompagner les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent aller de l'avant et créer des emplois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Niger, quand vous créez une petite entreprise, quand on vous amène des impôts, vous serez obligé de fermer l'entreprise et vos, vos employés iront au chômage. Donc, il faudrait réduire la façon d'imposer les jeunes entrepreneurs et les jeunes entreprises. Ceci peut permettre d'embaucher beaucoup. Ensuite, au-delà de cet aspect, c'est l'absence d'un fonds de garantie. Nous disons, l'État doit créer un fonds de garantie qui va permettre aux jeunes entrepreneurs d'accéder au crédit au niveau des banques. Ça, ça devrait être, mais ça ne se fait pas. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, l'État doit multiplier les formations pour que le jeune entrepreneur qui manque de formation puisse être formé dans le cadre de la gare, gestion axée sur le résultat et par rapport à un certain nombre de préoccupations. Vous allez constater que au fur et à mesure que vous sachiez bien gérer, votre entreprise durera pendant longtemps. Mais tant que vous ne savez pas gérer, vous allez vous rendre compte que c'est comme de la fumée. Vous allez avoir de l'argent aujourd'hui, mais ça va partir demain. Donc, il y a un certain nombre de propositions qui peuvent être faites par l'État. Et quand nous avions entendu la création du ministère chargé de l'entrepreneuriat, nous n'avions pas pensé que ce ministère allait se cloîtrer dans un département ministériel sans rien faire. Parce qu'il ne semble pas répondre à des préoccupations des jeunes, employeurs. Il ne semble pas, il n'y a pas d'accompagnement dans le cadre de la création d'entreprises. C'est plutôt le ministère du Commerce dans le cadre de doing business et un certain nombre de préoccupations qui est en train d'alléger les préoccupations dans le cadre de la création des entreprises. Selon nos invités, l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs nigériens, la réduction du prix des hydrocarbures à la pompe, l'élaboration et l'adoption d'une politique de logements sociaux constitue aujourd'hui l'essentiel des préoccupations des travailleurs nigériens. Nous sommes au terme de ce forum du Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Abdou Souley, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, membre de la Convergence des travailleurs du Niger qui regroupe six centrales syndicales. En ligne, nous avions eu Zama Allah Mahamana, euh, qui est, le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs euh, du Niger, USTN, membre de l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Nous avons également invité euh, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, mais malheureusement, aucun représentant dans ce studio. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à notre 38 radios partenaires. Merci, au revoir.